wa barakatuh Nous commençons toujours par lui Allah, Seigneur de l'univers, le détenteur de la royauté, du pouvoir absolu, qui n'a pas besoin de modifier un article pour s'éterniser au pouvoir, je le loue et le voue exclusivement mes cultes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration, sauf Allah, le Très Haut. Et j'atteste que le sceau des prophètes, de tous les prophètes d'Allah, j'ai nommé Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est la miséricorde. Et la solution à toutes les crises que Dieu a voulu sauver l'humanité à travers lui. Puisse Allah répandre sur lui sa famille, ses compagnons, sa grâce et sa miséricorde et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la première fois que je foule votre, votre sol. Si j'ai bonne mémoire, c'est ma troisième fois comme ça. Alors cela prouve que la fraternité entre nous est en train de se radicaliser. Et cela prouve également que la question religieuse occupe une place prépondérante dans votre vie. Puisse Allah nous assister tous. Et je dis pour commencer Rabbi shrah li sadri wa amri Wahlul qawli. Qu'Allah nous facilite cette tâche. Et comme vous savez, il n'y a pas ce jour qui passe sans que les médias font état de barbarie des musulmans, du terrorisme des musulmans, d'enlèvement de jeunes filles tantôt, et d'assassinats souvent perpétrés par des noms et par des messales qui revendiquent souvent l'islam, à tel point qu'aujourd'hui, comme le virus Ebola en Europe aujourd'hui qui fait que on a peur d'approcher les musulmans, les, Africains. Dans les bus, ils sont boycottés. Les musulmans aujourd'hui deviennent de plus en plus comme un virus à éviter et à combattre. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Les mouvements djihadistes et la position de l'islam face à ces mouvements. Alors je vais m'étaler sur cinq points. Premièrement, l'importance du thème qui n'échappe à personne. Deuxièmement, le sens du mot djihad. Troisièmement, la, différence entre guerre sainte et les autres types de lutte armée. Quatrièmement, l'historique du djihad, entre guillemets, guerre sainte dans toutes les religions révélées. Et pour finir, j'évoquerai les groupes djihadistes contemporains, leur localisation, c'est-à-dire leur contexte, leur motivation, commettent-ils des erreurs ou pas, et je finirai par évoquer la position de l'islam. Puisse Allah nous assister tous. Chers frères et sœurs, je commencerai par un verset du Coran où les mécréants avaient utilisé l'arme de la propagande contre l'islam. Lorsque les mécréants, sachant ne que personne ne peut contre l'avancée de cette religion, c'était à l'époque euh, mécoise, sachant que toutes les armes échoueront euh, devant cette religion, ils ont utilisé euh, l'arme de la propagande. Donc ce verset fait état de cette propagande que les Mécois ont voulu utiliser pour stopper l'avancée de l'islam. Et les mécréants ont dit N'écoutez pas ce Coran quand on le récite. Faites du bruit. Faites des de nuit. Faites de telle sorte que les gens ne l'écoutent pas. Même s'ils écoutent, ils ne comprennent pas son sens. Peut-être vous serez vainqueur. Il a dit ici que Un certain Nadr ibn Harith était allé dans des pays étrangers, notamment euh, la Syrie aujourd'hui, et les Perses, l'Iran d'aujourd'hui, avec un groupe de musiciens pour apprendre à chanter et à danser. Et quand il a fini de préparer son, euh, ses troupes, il est revenu à la Mecque. Profitant des occasions où le prophète rencontrait les pèlerins, euh, quand le prophète rencontrait les pèlerins pour prêcher l'islam, il se substituait à lui. Après le départ du prophète, il se présentait avec ses troupes et les mettait en scène. Après quoi, il haranguait la foule en disant Qui de moi ou de Mohammed est meilleur Parce que Mohammed vient de faire son discours, il est passé et écoutez mon discours moi aussi. Donc, il a monté cette scène-là, alors pour étouffer le message de l'islam. Donc ça, c'est en partie l'explication, le sens de ce verset. Quand on récite le Coran, ils essaient de, de faire de propagande, de bruit, pour éviter les gens à l'écouter cette propagande, parmi ces propagandes, comme le Coran le cite, c'est de qualifier le prophète sallallahu le wa de magicien, le qualifier de sorcier, le qualifier de poète, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une arme d'aujourd'hui qui est cette propagande alors qu'on lance contre l'islam en voulant euh, le qualifier de, terrorisme. Et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, sachant que, après coulement du mur de Berlin, l'islam est en train de se réveiller, il faut utiliser toutes les armes possibles pour euh, arrêter son avancée et le même pour l'éradiquer. Donc parmi ces armes, alors la propagande que nous, connaissons, que nous entendons euh, à travers les médias. Donc le thème c'est les mouvements djihadistes. Le thème est très très très important euh, vu l'actualité que nous vivons aujourd'hui le fait que dans chaque crise, on a l'impression que c'est, ce sont ces groupes-là aujourd'hui qui font terreur, qui sèment terreur dans, le monde. Et ils ont laissé les musulmans perplexes. Même les intellectuels comme vous ne savent même pas comment se positionner. Beaucoup sont ceux qui nous ont interpellés en disant qu'il faut effectivement montrer le vrai visage de l'islam face à ces groupes terroristes. Sinon, ça risque de, ternir karma, l'image de cette belle religion. J'étais une fois en compagnie d'un pasteur de Niamey à Ouagadougou. Lorsqu'il a voulu évoquer l'islam, il a parlé seulement du terrorisme. Il a dit aux prêcheurs de mettre l'accent sur ça pour montrer le vrai visage de l'islam, alors pour que ce groupe terroriste là ne termine pas son image. Donc il a fallu que je fasse un long discours de Niamey jusqu'à Ouagadougou pour qu'il soit persuadé effectivement, que ce n'est pas l'islam, le terrorisme, mais c'est plutôt l'Occident. C'est plutôt l'Occident. Je me rappelle euh, d'un propos de, du président libyen avant son assassinat lorsqu'il a dit euh, vous savez que euh, aux États-Unis, il y a une femme qui, qui a appelé à la prière, qui a surpris le monde, des femmes, hein. Alors l'autre a appelé à la prière, et la seconde a fait le serment et officié la prière. Et le président libyen, en faisant allusion à cela, a dit que ce sont les États-Unis qui alimentent le terrorisme dans le monde. Qu'après cet événement-là, il y a 10 000 Ben, Laden alors qu'ils vont se préparer alors pour prendre les armes contre les États-Unis. Donc, alors, euh, comme le temps ne nous permet pas, je vais passer à la vitesse supérieure alors pour commencer d'abord par euh, le sens du mot. Le mot djihad en islam, euh, euh, c'est-à-dire dans le dictionnaire arabe, a plusieurs sens. Jihad vient de d'un mot composé de trois lettres. Jahada. Jahada, c'est faire des efforts. C'est fournir un effort. C'est-à-dire dans chaque activité, quand on fournit un effort, en arabe on dit que la personne a fait jihad. C'est l'effort difficile qu'on fournit, c'est-à-dire dans une activité quelconque. Le deuxième sens, c'est le combat vous savez que euh, même vous, cest pour réussir dans, votre, euh, dans les études, il faut fournir des efforts. Il faut souvent veiller. Il faut prendre euh, des excitants. Alors il faut utiliser des moyens, cest à pour pouvoir en tout cas redoubler des efforts, surtout quand il s'agit de la préparation des, examens de passage. le deuxième sens, c'est le combat le combat que nous pouvons mener, euh, que nous pouvons mener alors pour parvenir, à un but. vous savez que le combat aussi est universel. Il n'y a pas ce peuple-là qui n'a pas utilisé cette arme. Combattre son ennemi. Son, son ennemi qui commence d'abord par son soi. Le troisième sens, c'est la lutte. Chaque peuple aussi a eu à lutter. Alors pour avoir son économie, en Afrique ici, on a on a lutté. Même en Occident, il y a eu des, résistances. Donc la lutte est universelle. Le troisième sens et le quatrième sens du mot djihad, c'est la guerre sainte. La guerre sainte, là, là, en ce moment, même en arabe, c'est-à-dire, il faut ajouter un autre mot. C'est-à-dire, en disant que, c'est-à-dire, on se contente pas seulement d'évoquer le djihad, mais on le qualifie en disant jihadun fi sabilillah. C'est-à-dire, on lui donne un adjectif. Jihadun fi sabilillah. Là, ça prend le sens de guerre sainte en français. Donc, voici des, des, sens qui tournent autour de ce mot-là. Faire des efforts difficiles, mener un combat, mener une lutte, faire la guerre sainte. La question que je me pose et que je vais vous poser, y a-t-il une communauté sur cette terre-là qui n'a pas eu à faire des efforts, qui n'a pas eu à combattre, qui n'a pas eu à, faire des luttes et qui n'a pas eu à faire des guerres qualifiées de saintes Donc c'est dire que ce, euh, en arabe, c'est, on l'appelle djihad, mais en français, c'est-à-dire, un livre, euh, Afiq Sunna de Sayyid Sabiq, euh, la, compréhension de la tradition prophétique de, de Sayyid Sabiq. Alors, après avoir évoqué ses sens, il dit que le djihad, dans la terminologie moderne, évoque la guerre, tout court. C'est-à-dire toute guerre euh, entre deux nations, entre des deux peuples et une guerre intestine, c'est-à-dire la guerre est l'équivalent du djihad en arabe. Donc ça, c'est le sens du mot. Alors, après avoir connu ce sens-là, nous allons voir que l'islam n'a retenu que la guerre sainte. Dans un hadith de Abu Musa al-Ash'ari, quelqu'un est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa en disant euh, quelqu'un qui, qui, mène une lutte armée, alors euh, pour la cause de sa nation, ou pour servir, euh, c'est-à-dire un clan, la cause d'un clan, d'une ethnie, ou bien justement pour avoir une bonne réputation, et lequel est le djihad loué par l'islam. Et le prophète de répondre sallallahu le wa sallam en disant C'est quelqu'un qui combat juste pour que le drapeau de Dieu, euh, la législation divine, prévale sur les autres. C'est ce qu'on appelle hein, al-jihadu fi c'est-à-dire la guerre sainte alors pour Dieu. Donc entre cette guerre sainte, donc l'islam n'a retenu que la guerre sainte. L'islam ne reconnaît pas euh, lutter pour la prospérité de sa nation. Telle est la devise des Occidentaux qui, qui ne suivent que les intérêts. Elle suit seulement les intérêts de sa nation, les intérêts d'un pays, les intérêts d'une famille, les intérêts d'un clan, ses propres intérêts, alors l'islam a rejeté catégoriquement ces, genre genres de lutte. il n'a retenu que la guerre sainte, la guerre qui veut que la religion divine, le drapeau de Dieu s'implante sur la terre de Dieu. Donc nous allons constater qu'il y a une différence entre la guerre sainte et les autres guerres, les autres luttes non. Premièrement, euh, dans les objectifs. L'objectif de la guerre sainte en islam, c'est faire promouvoir la religion d'Allah. Tandis que les objectifs, alors, sur les non-religieux, est souvent, euh, comme nous venons de le citer, alors pour des intérêts, des intérêts matériels. La première guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Golfe, toutes ces guerres que nous connaissons et que nous avons connues dans l'histoire, alors c'est pour euh, aider une nation à étendre sa souveraineté sur les autres nations. Donc les objectifs diffèrent. Alors comme les objectifs ne sont pas les mêmes, les moyens aussi vont euh, il y aura aussi des différences dans les moyens utilisés pour parvenir à ses fins. En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant ses compagnons dans, euh, dans, les, guerres saintes, quand il a envoyé Muaz par exemple au Yémen, alors il a, lui a donné des consignes. C'est-à-dire, euh, la guerre sainte en islam doit être propre. Donc parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa alors c'est d'épargner les personnes âgées. Les personnes âgées, la taqtulu hariman. Les personnes âgées, il faut épargner aussi les femmes, il faut épargner les, enfants, il faut épargner également les, les, arbres. Alors, et tout ce qui font, tout ce qui fait partie, alors, du quotidien de l'homme. Alors que, dans les autres guerres qui ne sont pas saintes, on ne on donne pas ces consignes. Et c'est pour que vous allez trouver que parmi les tous les moyens sont bons pour gagner. On peut même faire usage des bombes atomiques, comme les, deux bombes qu'on a larguées sur le Hiroshima et Nagasaki. On peut utiliser aussi des gares chimiques et tout ce qui peut alors permettre de gagner la guerre et d'avoir la suprématie sur, l'ennemi. Donc comme les objectifs diffèrent, les moyens aussi, entre les guerres saintes et les guerres qui ne sont pas saintes, doivent nécessairement aussi être différents. Donc vous vous pensez que la guerre sainte commence par l'islam. Alors que dans toutes les religions révélées, il y a eu des guerres, des guerres saintes. Nous allons commencer par le judaïsme. Et je vous ai apporté des extraits de de la Bible, dans Deutéronome 20, il y a un titre dans la Bible que j'ai. Le titre c'est Loi relative à la guerre. Donc chapitre 20, et verset 10. Nous pouvons lire ceci. Écoutez bien. Quand vous irez attaquer une ville, vous proposerez d'abord aux habitants de se rendre sans combat. S'ils acceptent et ouvrent les portes de la ville, ils seront tous soumis à des travaux obligatoires à votre service. Mais s'ils n'acceptent pas et préfèrent se battre, vous assiégerez la ville. Vous assiégerez la ville. Quand le Seigneur votre Dieu la livrera en votre pouvoir, vous y tuerez tous les hommes. Écoutez très bien. Ça c'est dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 20, verset 10. Vous y tuerez tous les hommes. Alors que dans le concile du prophète sallallahu le wa les personnes âgées sont, sont épargnées. Mais ici, tous les hommes sont à tuer. Vous pourrez garder comme butin les femmes, les enfants, le bétail et tout ce que vous trouverez dans la ville. Vous disposerez librement des biens de vos ennemis, puisque le Seigneur votre Dieu vous les a vous, les aura donnés. Vous agirez ainsi envers les villes très éloignées, qui n'appartiennent pas au pays où vous vous installerez. Quant aux villes du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera en possession, vous n'y laisserez personne en vie. Écoutez très bien. Vous exterminerez totalement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Zivites et Jébusites, comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, afin qu'il ne vous enseigne pas à imiter les actions abominables qu'ils commettent pour plaire à leur Dieu. Cela vous conduirait à pécher contre le Seigneur votre Dieu. Donc ça, c'est un passage de l'Ancien Testament qui prouve effectivement alors que les Juifs aussi ont connu la guerre sainte. Alors vous allez voir même que quand vous lisez ces, les, passages de, de l'Ancien Testament, vous constaterez que Moïse a quitté l'Égypte alors pour aller conquérir la Palestine. Dieu avait donné la Palestine au peuple juif après les avoir libérés du joug de la colonisation de, Pharaon. Donc, ils ne pouvaient pas accéder à cette ville-là sans passer par la guerre sainte. Et c'est ainsi, lorsque le peuple, les Juifs ont refusé de, faire la guerre sainte, alors ils sont restés dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Arbaouna sanatan Yatihouna fil ard. Donc Moïse y est resté jusqu'à sa mort. Après Moïse, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, c'est un certain Josué. C'est un, disciple de, Moïse qui a conduit l'armée israélienne à occuper la Palestine. Par, et pour parler de paix Non. C'est par la guerre. C'est par la guerre sainte. Donc le Coran dans Surat Bakara regarde, c'est fait. Mais vous allez trouver également que l'Ancien Testament n'a pas manqué d'évoquer cest cette guerre sainte-là. Et c'est là que David, qui était encore enfant, a pu vaincre Goliath. Goliath, et puis les Palestiniens étaient des, gaïas, des géants. Donc lorsque les, Israéliens, au temps de Moïse, alors, euh, avaient eu peur d'affronter le Goliath et, son peuple, alors Moïse est resté là-bas jusqu'à sa mort. Donc Jésus en, conduisant disant l'armée israélienne pour aller combattre euh, euh, Goliath, avait dans son, au sein de son armée, c'est-à-dire un enfant qui s'appelait euh, David. Donc Goliath s'est présenté devant l'armée israélienne en se moquant d'eux, en insultant les prophètes et les ancêtres des Israéliens et il a demandé à ce que quelqu'un sorte alors pour, c'est-à-dire un duel. Alors tout le monde avait peur de lui. Lorsque cet enfant-là est sorti, il s'est débarrassé de son père, parce le, père le tenait par la main, il s'est débarrassé de, son père pour aller prendre, ramasser des cailloux. Il a ramassé des cailloux là, et puis il a tenu un discours dans l'Ancien Testament en disant que le monde entier va savoir aujourd'hui que c'est pas avec la force physique, ni avec le nombre de, soldats, ni la puissance matérielle, ce n'est pas avec ces choses-là qu'on peut vaincre la tyrannie dans ce monde-là. Mais c'est par, par, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a prononcé le nom d'Allah, et puis il a jeté les pierres là, à sur Goliath. Et ça a été sa fin. Donc, c'est dit que euh, le peuple juif a connu, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces guerres saintes que nous appelons aujourd'hui djihad. Les Juifs ont mené plusieurs combats, de ville en ville. C'est-à-dire après la conquête d'une ville, Dieu les oriente vers une autre. C'est ainsi qu'ils ont pu conquérir toute la Palestine pour que David, en venant euh, après Moïse, puisse, c'est-à-dire s'installer et étendre son autorité, son pouvoir sur toute la Palestine, sur tous les champs, et et jusqu'à jusqu'au Yémen. Parce que le fils de David, Salomon, quand Salomon est venu, Salomon a pu vaincre euh, qui était la reine de Saba. Alors pour que le Yémen aussi soit alors sous sa domination. Donc c'est dire que ce sont des guerres saintes que les Juifs ont menées pour pouvoir étendre leur pouvoir là sur euh, le Moyen-Orient. Donc le djihad n'est pas seulement hein, lié à l'islam. L'islam au sens propre du, terme que nous connaissons aujourd'hui. Donc les Juifs ont eu à livrer plusieurs combats, plusieurs guerres saintes. Passons maintenant au Nouveau Testament. Dans Matthieu, vous allez voir que euh, dans chapitre 10, verset 34, j'ai un, titre ici qui dit non la paix mais le combat. C'est le Christ même, le Christ qui te dit que quand on frappe euh, on te gifle la, joue gauche, il faut étendre l'autre C'est le même Christ qui dit ici, hein, dans ce verset 34, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Ça, c'est le Christ qui dit, hein. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix au monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la belle fille à sa belle-mère, on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ça, c'est le propos de qui De Jésus-Christ lui-même. Celui qui aime son, son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera. Donc le christianisme aussi a prôné la guerre sainte. Et c'est pourquoi dans l'histoire, vous allez constater que il y a des guerres qu'on a appelées les croisades. Les croisades, des guerres qui ont duré quatre siècles, où le roi d'Espagne, le roi d'Italie, le roi d'Allemagne, le roi de France ont quitté l'Europe pour aller hein, conquérir le Moyen-Orient pour aller faire des, guerres successives au Moyen-Orient. Donc, en réponse, en application euh, à cet enseignement de, Christ. Donc, c'est dire que, alors, dans toutes les religions révélées, il a eu, cest à le djihad, alors, entre guillemets, la guerre sainte. Voyons maintenant le siècle de la lumière, le siècle de la civilisation. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes, dans notre pays, c'est la démocratie et puis la laïcité. Vous pensez que c'est le Mugunaba qui a accepté, adopté ce, système-là Le Mugunaba n'a pas, a été vaincu par la force. Le Mugunaba, l'homme même comme ça, même ce qu'il détient là, même s'il est faux, alors, il ne se laisse pas, c'est-à-dire, un autre venir, par exemple, étendre son pouvoir sur lui. Ça, c'est dans la nature humaine même. Donc, pour que la démocratie arrive ici, il a fallu que les armes parlent, que des innocents soient tués. Non. Donc je vais donner seulement un exemple. ah, où Christophe Colomb, hein, vous savez que les Amériques, le, continent américain n'appartient pas aux, Occidentaux. Le continent américain, à l'origine, appartenait à des indigènes, des Indiens, qui peuplaient cet endroit-là. Si je vous pose la question, l'Australie d'aujourd'hui était peuplée de quoi Et qui est devenue aujourd'hui un, pays occident qui appartenant à cette alliance, à cette alliance satanique. L'Australie était peuplée par des aborigènes, mais aujourd'hui qui sont réduits à la minorité. Également, le continent américain. Donc je vais lire seulement un passage. Prenons l'exemple d'une population d'une île de 200 000 habitants avant l'arrivée de Christophe Colomb. Eh bien, celle-ci fut réduite à 50 000 habitants 20 ans après son arrivée. 50 ans plus tard, en 1540, il n'en restait plus que 1000. Vous vous rendez compte Il n'en restait plus que, que 1000. Quand Corte, le plus célèbre des conquistadors espagnols, a conquis le Mexique depuis février 1519, la population locale totale était d'environ 25 millions d'habitants. Regardez, 25 millions d'habitants. En 1605, il ne restait plus qu'un million d'habitants. 25 millions d'habitants, on a réduit hmm, à combien À un million. Sur l'île de Hispaniola, la population de 7 à 8 millions en 1492 a diminué à 4 millions en 1496 et à plus de 125 personnes, 125 personnes seulement, en 1570. Selon les chiffres des historiens, moins d'un siècle après que Christophe Colomb a posé pied sur le continent, 95 millions de personnes furent massacrées par les colonialistes. 95 millions. Donc quand Colomb a découvert l'Amérique, il existait 30 millions d'indigènes sur le continent. Le résultat des massacres qui furent perpétrés depuis cette époque-là et aujourd'hui fait qu'il ne reste plus que 2 millions d'indigènes. Donc voici des chiffres. Ça c'est un livre. Le, les désastres causés à l'humanité par le darwinisme d'un certain Haroun Yahya. Donc ce sont des chiffres parlants qui montrent que, alors, euh, la guerre sainte a commencé d'abord par le judaïsme, euh, le christianisme a connu cette guerre sainte, et les, ceux qui se disent civilisés aussi ont mené des guerres pour exterminer des peuples entiers pour pouvoir instaurer leur loi pour pouvoir étendre leur supériorité sur la terre. Et la chose ne fait que, ça dit, nous sommes dans une continuité. Tout ce qui se passe aujourd'hui, alors, euh, rentre dans ce cadre. C'est-à-dire que l'Occident n'a pas pu dominer ce monde-là sans avoir passé par les armes. On n'a pas connu dans l'histoire que le Mogonaba ou les rois euh, d'Éthiopie où ces rois qui ont été vaincus par, le, colonisateur ont fait des pourparlers, ou euh, c'est-à-dire, ont négocié c'est-à-dire, une paix durable avec le colonisateur. Non, d'abord, il faut faire parler les armes, et après avoir vaincu et dompté ces peuples-là, on passe maintenant, c'est-à-dire à, l'élaboration des, des constitutions, alors pour pacifier un peu la situation. C'est ainsi. Donc, dans chaque côté de ce, monde-là, vous allez euh, comprendre qu'il y a eu des, guerres d'extermination. Non. Donc nous avons connu, nous avons lu des passages du judaïsme et du christianisme. En islam, le djihad en islam, l'historique du djihad en islam, quand est-ce que le djihad a commencé En islam et c'est le, le, bon Dieu même qui nous dit de faire le jihad. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi tawrat wal injil wal qur'an. Ça c'est ce sont des versets explicites où le bon Dieu nous incite euh, à faire le jihad pour instaurer la, la loi de Dieu sur, sur cette terre-là. Mais quand est-ce que le jihad a commencé Alors, je pense que tous ceux qui sont présents ici savent que euh, la période mécoise qui a duré 13 ans n'a pas connu de, lutte, euh, de guerre n'a pas connu de lutte, n'a pas connu de violence. La violence était d'un seul cas. C'était les Mécois qui utilisaient cette arme-là contre le prophète sallallahu le wa Pendant 13 ans, le prophète subissait les coups de ses adversaires. Et il n'a jamais répliqué et il disait toujours à ses compagnons d'endurer. Et dans l'histoire, il y a une, famille très célèbre à l'époque mikoise le, auquel le professeur Allah me disait hmm? Patientez-vous, ô famille de Yasser, je vous promets le paradis. Donc dans la période mikoise, le prophète euh, ses, compagnons d'endurer, de ne pas répliquer. Et souvent même, il les conseillait d'émigrer, d'aller en Afrique, en Éthiopie plus précisément, et tout cela pour éviter, c'est-à-dire euh, euh, l'oppression, pour fuir l'oppression. Donc, dans la période mécoise, pendant 13 ans, les prophètes, les musulmans n'ont pas utilisé la violence comme arme. Ils n'ont pas, ils subissaient toujours les, les coups. Même le prophète hein, n'a pas manqué, c'est-à-dire de, de, subir ces coups-là, et cette oppression. Et c'est ainsi qu'il a émigré, alors à Médine pour aller constituer son État, l'État de l'islam. Un an après son arrivée à Médine, il n'y avait toujours pas de djihad. Il n'y avait toujours pas de lutte armée. Le bon Dieu a fait descendre un verset où il dit, dans la, la sourate euh, Al-Hajj, la permission est faite à ceux qui sont oppressés. à ceux qui sont qui subissent, c'est-à-dire les coups des Mécois, permission leur a été donnée, hein, alors de répliquer, entre guillemets, de faire la guerre sainte. C'est ça l'explication, mais ça n'a pas été explicite comme ça dans, dans le verset. Car ils ont été lésés. Très certainement, euh, Dieu est capable de les secourir. Donc certains ont compris que c'est le, début du djihad. Que, ça dit, Dieu est en train de préparer les esprits pour la guerre sainte. C'est ainsi qu'en l'an 2 de l'Égypte, dans la même sourate Al-Baqarah, euh, le bon Dieu a fait descendre un verset en disant euh, wa huwa lakum À partir d'aujourd'hui, j'ai prescrit sur vous le combat pour Dieu. Non, mais vous, vous détestez cela. Pourtant, vous allez peut-être détester quelque chose alors qu'il est bien pour vous. Donc les gens ont compris que c'est à partir de cela, alors que alors la guerre sainte a été prescrite sur les musulmans. Mais quand ça a commencé, ça a pris corps, c'est la première bataille de la, bataille de Badr. Dans la bataille de Badr, les gens n'étaient même pas préparés comme ça à, la guerre. Ils étaient sortis alors pour récupérer des butins. Des butins, puisque comme ils ont émigré, laissé, euh, cest à leur fortune à la Mecque, qui ont été épiées et partagées par la Mecquois, alors, en sachant qu'il y avait une caravane qui avait quitté Cham, l'Abyssinie, en destination de la Mecque, c'est-à-dire pour faire le commerce, alors certains ont donné avis au professeur Allah Salama d'aller récupérer alors les biens qu'ils avaient perdus à la Mecque. Donc j'étais sorti comme ça, presque 300 personnes, alors que la caravane valait presque 1000 personnes, avec toutes alors les, équipements de, de guerre. Donc, ils n'étaient pas sortis, ils n'étaient pas préparés à la guerre. Mais comme Dieu voulait montrer que ce n'est pas par la force des armes, ni le nombre, alors qu'on peut vaincre euh, son adversaire en islam, c'est plutôt son assistance, c'est l'assistance divine. Dieu a fait qu'ils sont sortis sans bien se préparer. Et quand le choc a eu lieu, alors Dieu a écrit la, victoire alors pour les musulmans. C'est là la première bataille. Donc les gens ne voulaient même pas se battre. Ils sont sortis comme ça pour aller récupérer des, butins. Donc c'est là que la guerre sainte a commencé en islam. Donc c'est en l'an 2 de l'Égypte. Donc après combien 13 ans de prophétie et 2 ans encore à Médine. Donc on peut dire que 15 ans de prophétie, on ne recevait que les coups. On frappait les musulmans, les musulmans ne, ripostaient pas. Ils ne répondaient pas. Ils répondaient la violence par quoi Par la non-violence, par la pacificité. Donc c'est ainsi et les choses ont continué, ont évolué. Puisque, après la défaite à la grande bataille de Badr, les Mekwa sont allés se préparer encore pour aller euh, prendre, leur revanche. C'est ainsi que la, la, bataille de Uhud a eu lieu. Bataille de Uhud, c'est où C'est à Médine. Badr, c'est où C'est à Médine. Ah, la bataille de Khandaq, à l'enseigne de l'Égypte, c'est toujours à Médine. Donc c'est dire que ce sont les autres qui viennent attaquer la cité de l'islam pour déraciner l'islam et les musulmans ne font que que hein, se défendre, la légitime défense. Donc ça veut dire que l'historique du djihad même, alors, euh, diffère entre nous et le judaïsme. Le judaïsme, alors on les a donné la Palestine pour aller combattre, récupérer, envahir la Palestine. Alors qu'en islam, non. On a accepté le coup. On a accepté le coup. On, a fui même l'oppression pour aller construire notre État quelque part. Et nous, on nous a rejoints là-bas on a continué à faire les hostilités contre nous. Et c'est là qu'on a commencé à nous défendre, à défendre notre cité. Donc, le djihad même en islam a commencé comme ça. D'abord, c'est le djihad de nafs, se préparer spirituellement. Et deuxièmement, c'est la légitime défense. Voici une deuxième étape. Et là maintenant, après le prophète sallallahu alayhi avant sa mort, il y a eu Ghazwat al-Mu'ta. Ghazwat euh, la cause c'est quoi il y avait, c'est-à-dire, euh, des gens qui étaient venus flatter le prophète sallallahu alayhi wa sallam que leur peuple a accepté d'embrasser l'islam. Que d'envoyer des détenteurs du Coran pour aller enseigner le Coran à leur peuple. Et c'est là que le prophète a écrit une lettre, alors adressée euh, au gouverneur de cette cité et avec certains éléments que le prophète avait désignés. Qu'est-ce qui s'est passé Arrivé à mi-chemin, on a trahi ces gens-là, on les a assassinés. Et l'émissaire qui a porté la lettre-là au gouverneur a été lui aussi assassiné. Alors que cette chose-là n'existait pas alors, à cette époque-là. Donc quand le prophète a appris la nouvelle, alors pour venger ses, ses compagnons qui ont été trahis, ça c'est une trahison. Même à cette époque, il n'était pas question de, les émissaires, alors euh, de paix, les ambassadeurs, c'est-à-dire on les épargnait. C'était comme ça, la loi même d'antan, alors prévoyait ainsi. Mais comme ça n'a pas été le cas, on a créé ces gens, les a assassinés, le prophète a décidé maintenant d'aller venger alors ses compagnons. C'est ça qui a occasionné cette guerre-là, en Ça c'est juste avant la mort du prophète Salah, quelques années seulement. Donc toutes les guerres là en islam, autant temps du prophète sallallahu alayhi wa hein, se situaient dans, ce cadre-là. Non. Après le prophète, alors il y a eu, euh, il y avait des menaces. avant qu'il ne meure même, il a appris que les chrétiens se préparaient pour venir attaquer Médine. Le dernier combat qu'il allait livrer, c'est Rajwa Tabou. Ça, c'est quelques mois seulement avant sa mort. Razwa Tabouk, c'était des chrétiens. la nouvelle était venue que les chrétiens se préparaient pour venir attaquer, déraciner carrément l'islam de, euh, Midi. Donc le prophète s'est préparé, alors en conséquence, pour aller, c'est-à-dire repousser cette agression. Donc il est sorti, les chrétiens ont eu peur, ils ne sont pas venus. Donc la, bataille n'a pas eu lieu. Le prophète est revenu à Médine, alors quelques temps après seulement il est mort. Donc, ce côté-là est devenu menaçant. Il fallait pacifier alors ce côté de ce, du monde. Pour ne pas qu'un jour, ces chrétiens se préparent et venir, et pour venir envahir alors Médine. Il fallait en tout cas pacifier ce côté-là. Donc il y avait ça. Il y avait les Perses aussi. Les Perses. Le prophète avait adressé une lettre euh, aux Perses, au, au, roi des Perses. Quand il a lu la lettre, il l'a déchirée. Il a déchiré la lettre du prophète sallallahu alayhi Tout ça, c'était la dawa. Tu, lis la lettre, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. C'est comme les Égyptiens. En Égypte, quand on a reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les appelant à embrasser l'islam, hein, il a lu la lettre, il ne l'a pas déchirée, mais il a plutôt fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et a envoyé des présents, des cadeaux euh, pour le prophète. Il a dit que non, moi je ne peux pas quitter ma religion. Moi j'ai une religion que je ne peux pas quitter. Mais et je t'encourage en tout cas à continuer alors, c'est ta tâche. Mais moi, je ne peux pas quitter ma religion. C'était ainsi. Et le prophète a accepté ce cadeau-là. Et, alhamdulillah, il n'y a pas eu de conflit entre les musulmans et puis l'Égypte. autant temps dal Vous voyez, même Marie al est venue d'Égypte, non Voilà donc. Mais le, roi des Perses, quand il a lu la lettre, il a déchiré. Il a déchiré et puis, il avait, d'après le livre d'histoire, il avait envoyé des gens pour aller attraper euh, le, ligoter le prophète et l'amener. Le prophète a dit que Dieu déchire hein, son trône comme il a déchiré ma lettre. Voilà. Quand ils sont venus, quand ces soldats sont venus pour euh, euh ligoter le prophète, le prophète a dit que hein, qui, vous a envoyé Il dit que mais c'est telle personne. Il dit que mais il a, il a décédé hier. Le prophète l'a annoncé la nouvelle, c'est-à-dire le décès alors du roi. Donc ça a commencé ainsi. Donc ça c'est une autre histoire. Ça fait que quand ils sont rendus compte de la véracité de, ce que le prophète a dit, alors les gens du Yémen et beaucoup ont embrassé l'islam à cause de cette prophétie. Donc les Perses étaient restés comme ça, ennemis de l'islam. Et les musulmans savaient qu'ils se préparaient eux aussi, comme les chrétiens, pour venir envoyer un jour midi. Donc il fallait pacifier ces, deux frontières. C'est ainsi qu'il y a eu la bataille de Qadisiyah au temps de euh, Omar ibn Khattab et la grande bataille de Yarmouk au temps de Omar ibn Khattab. Les musulmans sont sortis vainqueurs hein, dans ces deux grandes batailles. Ils ont mis fin à deux grandes tyrannies. Hein, les Perses, qui ont longtemps menacé le monde, et les Roumains qui ont aussi longtemps euh, menacé le monde occidental. Donc voici brièvement l'historique de la guerre sainte dans le judaïsme. Alors, comme vous l'avez de le constater, les judaïsme aussi n'ont pas manqué de faire des guerres saintes dans le christianisme et dans l'islam. Les objectifs sont quoi Quand il, s'agit de guerre sainte, la guerre sainte, quel est son objectif cette question sera posée à vous. Pourquoi faire une guerre sainte Quelle est la réponse Parce que le colonisateur est venu faire la guerre ici. Ah, c'est pour avoir notre richesse, c'est pour pied, occuper le pays, nous dominer, et nous dominer politiquement, militairement, économiquement, sur tous les plans. Voilà. Mais la guerre sainte à quel objectif qui peut répondre Il n'y a pas de réponse mmh, Pas de date Au début de l'intervention, vous mhm. avez dit que la question consistait à faire triompher la, la, la, vérité. Mmh. Non. Oui, c'est vrai. Ça, ça fait parmi des, objectifs. Ces objectifs-là sont multiples. Premièrement, l'homme même comme ça là a des ennemis. Sans la guerre sainte, l'homme est destiné à la destruction. Non. la fi khusr. Wal l'asri, je jure par le temps inna الإنسان très certainement l'homme la fi khusr, il est dans la perdition l'homme comme ça. C'est pourquoi vous conseillez aujourd'hui qu'il y a seulement 1 milliard 300 millions de musulmans. la, nature humaine même est destinée comme ça à la perdition. Inna la Alors, pour venir, pour délivrer l'homme, en, le laissant comme ça avec son, sa, propre pensée, il se détruit lui-même. Il va s'adonner à l'alcoolisme, il va abuser du tabac, euh, il va obéir à sa passion aveuglément. Donc, l'homme même comme ça, là, il faut une loi pour le délivrer. Parce qu'il est, en prison. Donc, le premier objectif de la guerre saine, c'est venir prendre l'homme comme ça, hein, le libérer. Le libérer du joug de sa passion. nous avons inversé dans la sourate, euh, le discernement, sourate al-Furqan, lorsque le bon Dieu dit ceci. Ne vois-tu pas celui qui a pris sa passion hein, comme divinité ne vois-tu pas celui qui a pris sa passion comme divinité Es-tu garant pour lui Donc ça veut dire que la passion, sans la, euh, la délivrance de l'homme du jour de sa passion, il va obéir à cette passion-là jusqu'à diviniser la passion. Et c'est pourquoi vous allez voir des tendances euh, euh, philosophiques en Europe. Alors, comme les, les épicuriens, qui, qui juge que l'homme vit pour satisfaire seulement son désir charnel. À Paris même, il y a une rue, la, rue de la Gaîté. À Paris ville. Hein? À, côté de, Garibaldi, vous allez voir une rue comme ça, rue de la Gaieté. Où les parnassiens, les parnassiens, ça c'est une tendance philosophique à l'Europe à l'époque, les parnassiens qui avaient comme philosophie, c'est-à-dire satisfaire seulement sa passion. Là où ta passion te mène là, vas-y. C'est pourquoi aujourd'hui on a dédié euh, cette route-là, on les a dédiés ça. Vu de la gaieté, de ta bouche à ta droite, il y a seulement la satisfaction de la passion. Il y a les boîtes de nuit, il y a les, les, les cinémas où ce n'est pas le, film que tu regardes, mais les gens qui sortent comme ça et qui, forniquent devant les gens. Il y a du tout. Tout ce qui est mauvais se trouve là-bas. L'homme est, c'est-à-dire, euh, est destiné à ça. mais il n'est pas délivré, si la religion ne vient pas prendre sa main, en tout cas, ça peut être sa perdition. Donc l'objectif même de la religion, c'est faire quoi C'est venir prendre l'homme même, l'enseigner une autre culture qui fait de telle sorte qu'il s'élève au-dessus de cette passion-là pour devenir autre. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est la passion. Deuxièmement, il a Satan aussi qui, alors qui, cherche à le capturer. Non, Satan qui, a juré devant Dieu. Qui a juré devant, devant Dieu. Alors, de tout faire, alors pour, c'est-à-dire, dérouter l'homme pour qu'il quitte, c'est-à-dire il s'écarte de la droiture. Et Dieu lui répond en disant hein, La amla anna jahannam min jinnati wa nas ajma'in. Inna ibadi laysa alaykum sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi. Donc Satan aussi est un ennemi alors qui qui suit l'homme qui cherche à à le cest à le salir et à le mettre, euh, c'est-à-dire l'enfuir dans, la perdition. Donc la religion vient en ce moment-là enseigner à l'homme comment maintenant éviter Satan. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans, les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui dit que Satan, quand il voit Omar même venir, hein, il change de route pour ne pas le, rencontrer. Parce que lui, il a atteint un certain, un certain niveau de, de maturité spirituelle, alors que Satan n'a pas ah, de quoi faire sur lui. Donc la religion, la, bataille religieuse même, la guerre sainte a pour but de venir libérer l'homme de sa passion, du de sa passion, libérer l'homme de l'emprise de Satan, hein, et libérer l'homme de quoi du, de l'emprise de l'homme, la colonisation de l'homme. Non, parce que Dieu a fait que eh, l'homme dans sa nature, veut se soumettre. La soumission fait partie de la nature humaine. Parce qu'il est préparé comme ça pour, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il va se soumettre à un être humain. Il va se soumettre peut-être à la tyrannie. Se soumettre à sa passion. Mais ici, nous allons évoquer ici la tyrannie de l'homme. Donc, regardez, quand Dieu a envoyé Moïse, c'est pour venir libérer le peuple d'Israël contre l'occupation de, Pharaon, contre la colonisation de Pharaon, contre l'asservissement de Pharaon. Puisque avant Moïse, le peuple d'Israël était asservi par, Pharaon. Donc la religion a pour but de venir libérer l'homme hein, de, de la colonisation de l'homme. Non. Parce que l'homme tend, c'est-à-dire asservir, hein, à exploiter son prochain à exploiter l'homme, exploiter l'homme par, par l'homme. Donc la religion vient libérer l'homme de toutes ces choses-là. Donc cette libération-là qui fait maintenant, car alors on vient avec, euh, avant de faire le djihad, on prêche d'abord la religion. Si vous acceptez la religion, alors pas question encore d'utiliser les armes. Mais si vous n'acceptez pas la, la religion et que vous voulez la combattre, vous n'acceptez pas la religion, il y a toujours la paix. Vous pouvez laisser le temps maintenant la place aux religieux de venir prêcher la religion. Si toi tu ne veux pas, peut-être il y aura d'autres qui vont en vouloir. Mais si tu veux barrer la route à la religion, dis que non, notre pays, là, non, l'islam ne rentre pas. Là maintenant, alors, ça va avant de faire le djihad. Le djihad a pour but d'aller libérer l'homme. Ah, pour qu'il ne, il ne tombe pas dans l'enfer. Si on les laisse comme ça, regardez les pays où l'islam n'est pas arrivé. Par exemple, la Chine, euh, le Japon, ces pays qui sont très très éloignés là. on ne connaît même pas Dieu dans ces pays-là. Il a dit qu'il y a un commerçant euh, burkinabé qui était qui, est un commerçant qui partait en Chine. C'est l'autre jour qui a pris ça dans l'avion. Euh, il est devenu aujourd'hui musulman. Parce qu'il a constaté que les bouddhistes, chaque bouddhiste a une statuette comme ça devant sa porte. Avant de sortir pour aller ouvrir son magasin ou sa boutique, alors il sert d'abord la statuette là. Hmm? il s'incline, alors, euh, euh, euh, avec humilité, devant la satiette. Et il donne même à manger à la satiette. Il dit que voilà, je t'ai donné à manger, toi aussi donne-moi à manger. Et quitte maintenant pour aller ouvrir son magasin. Donc ce commerçant a dit non, non, non, non, non. Quand il a commencé, il a dit que non. Ce que les musulmans disent là est vrai. Parce que ça, ça se trouve même dans l'église, dans, le christianisme. Nous-mêmes, on se, hein, on s'humilie comme ça devant la satiette de Marie et de Christ. Donc c'est la même chose. Donc celui-là a gagné hein, sa, confiance. Il a compris que ça les sociétés ne peuvent pas être des divinités. Et cette réflexion lui a conduit à embrasser, l'islam. Donc quand il prie là-bas en Chine, les gens viennent, les enfants viennent comme ça les photographier. Vous voyez Parce que l'islam n'a pas atteint ces, endroits-là. Donc l'homme vit là-bas comme des, des animaux. Ils vivent là-bas comme des animaux. Donc si l'islam n'arrive pas à un endroit, alors, ça dit, on, on, vit, en ce moment comme, comme des animaux. Donc le rôle du, djihad, de la guerre sainte, ce n'est pas pour occuper, c'est-à-dire euh, une économie, l'économie d'un pays, euh, coloniser un pays. Non, ce n'est pas ça. d'abord, c'est pour libérer l'homme. C'est pour libérer l'homme de toutes les dimensions que je viens de, de citer. Après cette libération, s'il y a deux personnes qui acceptent d'embrasser l'islam, trois personnes, et que les autres refusent de l'embrasser, tant pis, l'islam vit en paix avec vous. Vous acceptez en ce moment-là, comme la terre appartient aux musulmans, alors de donner ce qu'on appelle la dîme, hein, al de payer, c'est-à-dire des impôts, alors qui permet aux musulmans de recruter des, des, agents de service, de, de sécurité, pour sécuriser et pacifier le pays. Et chacun vit avec sa religion en ce moment. Et c'est pourquoi il y a un Ansarite qui a voulu obliger son enfant, qui suivait des commerçants pour aller à, euh, Cham, hein, de, de, de, quitter le christianisme. l'enfant a suivi ce chrétien là et embrassé le christianisme là-bas. De retour à Médine, son père a voulu l'obliger à, quitter le christianisme pour, embrasser, pour retourner à l'islam. Le bon Dieu a fait descendre ce verset-là. La ikraha a din. Hatabayana rushdi min al le contraire dans la religion. Donc l'islam n'a pas obligé quelqu'un à embrasser euh, l'islam. Mais seulement, laisse-nous le passage d'aller prêcher notre religion. Ça, c'est le droit, alors que toutes les nations doivent donner euh, à l'islam et aux musulmans. Voilà. Donc ça, c'est un peu euh, l'historique de, euh, de la guerre sainte en islam. le prophète en envoyé Mu'ad, Mu'ad a dit, tu vas vers un peuple Hein? chrétien, la première chose que tu dois, c'est-à-dire euh, les montrer, c'est la double attestation. Attester qu'il y a des divinités dites Allah et que Muhammad est son serviteur. Si j'accepte cela, Alhamdulillah, ils sont dans la paix avec toi. Donc tu continues maintenant à leur montrer euh, les autres euh, piliers de l'islam. Maintenant, il y a des groupes djihadistes, alors par-ci par-là, au Mali, au Nigeria, en Somalie. Dans le temps, il y avait le, djihad euh, en, Algérie, il y a le djihad en Afghanistan. Actuellement, on tout partout qu'il y a du djihad. Quelle est notre position par rapport à ces gens-là Et nous appelons qu'ils sont des gens qui kidnappent même des femmes comme a été le cas au Nigeria. Et l'État islamique, c'est-à-dire j'ai appris qu'eux aussi, ils obligent les femmes à se marier à, à leurs soldats. Ça, c'est à travers les médias qu'on nous avons appris cela. Bon, quelle est notre position D'abord, il faut se mettre dans leur contexte. Il faut se mettre d'abord dans leur contexte. nous, nous n'avons pas cette force médiatique-là. France Inter a 400 correspondants dans le monde. 400 correspondants. Alors, qui sont chargés de, collecter les informations, alors pour euh, donner à France Inter. C'est cette force médiatique-là qui fait que c'est la vérité qu'ils veulent là, ce qu'ils veulent, ça de faire passer comme message-là qui passe. Alors que ce que nous entendons des médias, généralement, hein, cest a été fait de telle sorte que, ça dit, il y a toujours cette domination médiatique, alors qui fait que les autres peuples pensent comme eux. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, quelle est cette vérité-là Est-ce que ce que nous apprenons des médias là est vrai C'est une vérité Parce que nous n'avons pas, pas, de correspondants musulmans sur place pour nous donner d'autres versions. S'il y avait l'autre bloc, le bloc communiste, alors on aurait pu au hein, changer de gants pour essayer de, voir dans quelle situation, quelle est la vérité, de sortir avec une synthèse. Mais tel n'est pas le cas. Vous allez voir que BBC dans la même nouvelle que France Inter, que euh, United States, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, ce sont des gens qui sont entendus, comme, sont, ils sont des coalisés. L'OTAN, c'est quoi C'est eux. Militairement, ils sont unis. Médiatiquement, ils sont unis. Économiquement, ils sont unis. Regardez la situation du Burkina Faso actuelle là. Le FMI déjà a suspendu son aide au Burkina Faso en attendant la composition du, nouveau gouvernement. Vous voyez, ils sont unis. Le FMI c'est qui C'est eux. Ce sont les bailleurs là qui ont constitué cette instance économique pour pouvoir mettre pression sur les États. On attend. Si le président n'est pas, ne fait pas leur affaire, on coupe le robinet. Et vous allez vous entretenir entre vous donc le monde là, hein, ça dit danse, c'est-à-dire euh, un seul pas. Dans le temps, c'était deux blocs. Mais aujourd'hui, c'est un seul bloc. Ils sont entendus, alors pour, faire face euh, au monde entier, pour, pour le mieux euh, le monde entier. Donc, où est la vérité D'abord, je veux que vous connaissiez que ce groupe-là vivent des, des contextes qui nécessitent votre présence là-bas pour comprendre leur situation, avant de dégager euh, vos jugements. Mais ce que je sais, à travers mes rencontres et à travers mes correspondances, c'est que ce que nous entendons dans les médias, alors, n'est pas la vérité. La vérité existe quelque part. C'est lorsque une autre puissance va dominer ce monde-là, c'est ce moment que nous allons connaître alors beaucoup de vérités qui sont cachées aujourd'hui. prenons le cas du Nigeria à côté. Il y a eu une guerre de la Biafra, une guerre de sécession, financée et alimentée par le général de Gaulle à l'époque. Le général de Gaulle qui avait perdu la compagnie, euh, qui avait perdu l'Algérie, où fleurissait la compagnie Elf, il avait perdu carrément l'Algérie, puisqu'il voulait annexer l'Algérie pour en faire euh, dire, une région française, comme c'est le cas aujourd'hui de Mayotte. Hmm? Mayotte, et puis c'est les pays d'outre-mer là, qui sont annexés par la France. Donc on voulait annexer l'Algérie. Vous voyez même la construction de la ville d'Alger là. Hein? C'était un département français. Mais comme il était obligé, après la guerre de Vietnam, les Vietnamiens ont pu vaincre la France, vaincre les États-Unis, et que ça a contaminé yani d'autres luttes, hein, notamment en Algérie, la France a eu peur que ça ne contamine toutes ses colonies. Donc le général de Gaulle était obligé de céder sous la pression euh, militaire des, groupes armés algériens. Donc, en leur donnant la, leur indépendance, ah, il fallait que la compagnie elle, ait une autre place. Donc, ils ont déclenché la guerre de la Biafra au Nigeria. Dans cette guerre-là, ce sont les musulmans qui ont subi ce que les musulmans font subir les chrétiens aujourd'hui. Allez-y, les livres qui traitent la guerre de, la, guerre de sécession du Nigeria, pour voir ce que les chrétiens ont fait aux musulmans en ce moment. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la constitution du Nigeria, il y a l'alternance. Un chrétien prend le pouvoir et le suivant doit être un musulman à cette alternance-là. Qu'est-ce qu'on a fait Ajouté au souvenir de la guerre de Biafra, qu'est-ce qu'on a fait On a changé la constitution de telle sauf que hein, celui qui est là actuellement là puisse briguer un second mandat et actuellement, avant-hier, il, a, il vient d'annoncer sa candidature pour un troisième mandat. Ce qui est anticonstitutionnel. Donc il y a des choses, il faut comprendre le contexte. Donc quand les musulmans ont commencé maintenant à dans les, mosquées là, alors pour ouvrir les yeux, face à cette situation là, hein, qu'est-ce qu'on a fait Il y a un certain avocat Chicago son, euh, d'abord celui qui, qui, était avant lui, euh, au nord du Nigeria, voulant entraîner ces gens-là vers une guerre intestine, parce que tout ça s'est occasionné pour des buts déterminés, alors ils sont venus avec euh, des avions et des chars, bombarder le quartier de ce chèque-là. L'assassiner, il était sorti même, mais libre comme ça pour se rendre à la police. Lorsqu'il a été tiré sauvagement et abattu. Donc, les adeptes qui le suivaient là, voyant cela, leur leader a mouru de cette sorte, n'ont pas pu supporter. Alors qu'en mourant, quelqu'un m'a dit qu'il a dit à ces adeptes-là que c'est un piège de le laisser mourir comme ça, lui il accepte. C'est son sort. Mais de ne rien faire après sa mort. Sinon, ils vont utiliser ça, fermer l'image de, l'islam du Nigeria. Donc ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont pu en tout cas suivre les conseils du maître là, qui n'ont pas pris les armes. Mais il y a d'autres qui n'ont pas pu. Même une seule personne qui tire un coup de feu, l'État va ça utiliser ça il va profiter de ça maintenant pour faire des infiltrations. Des infiltrations, alors, pour mieux ternir l'image de l'islam. Actuellement, ce qui se passe. Tous les généraux qui étaient musulmans là, on les a destitués. Tous les postes clés du Nigeria, où il y avait des musulmans, les postes sensibles là, à cause de cet événement là, on les a démis de leur fonction. Donc c'est une occasion maintenant de faire reculer l'islam. Pour que le Nigeria qui est grand économiquement, qui est grand en termes de population, ne deviennent pas un jour une puissance régionale, une puissance continentale. Ça, c'est dangereux. Alors qu'en ce moment-là, hein, comme dans le passé, c'était les musulmans, alors qu'ils ont beaucoup gouverné ce pays-là. Donc, ils ont pris soin aussi de classer les, hein, les siens dans les postes clés. Donc, c'est une occasion maintenant de, de frapper l'islam et les musulmans partout. Donc, le contexte du Nigeria peut se définir de la sorte. Alors qu'il y avait une, il y une autre guerre de sécession là, euh, le, mouvement du, delta du Niger. Hein, si vous avez bonne, bonne mémoire. Le mouvement du delta du Niger qui sabotait les le les, les puits de pétrole, qui sabotait l'économie du pays. Mais l'État n'a pas utilisé la même force contre ces gens-là, parce que ce sont des chrétiens. Ils sabotaient l'économie du pays. Ils ont brûlé même des, puits de pétrole. Ils ont fait beaucoup de choses. Faire couler même saboter les, les, choses là, les juridiques Ils veulent faire couler le pétrole comme ça, cest dit en masse. Mais l'État jamais n'a utilisé la force contre ces gens-là. On a pris en détention seulement quelques leaders. Pourquoi Parce que, alors, c'est ainsi. Ce sont des chrétiens. Mais lorsque les musulmans ont voulu revendiquer seulement quelques droits, ils sont venus avec des avions. Ce jour-là, j'étais à l'écoute. Et puis on a commencé maintenant à, bombarder le quartier là jusqu'à tuer le leader. utiliser la force, alors que quand on, utilise la force pour une première fois, on ne sait pas, ça dit jusqu'à quand et jusqu'où peut s'arrêter en tout cas la violence. Donc ce qui fait que ça continue jusqu'aujourd'hui. Prenons le cas de, de notre cher pays ici. Le pays là vient de traverser une crise. N'est-ce pas Mais nous, en tant que leaders religieux dans ce pays là, on ne nous a jamais appelé même un seul jour pour nous consulter dans la prise de décision hein, euh, dans l'élaboration de la charte en question. Personne. Quand tu téléphones à Kindo, non, il n'a pas été appelé. Tu à Tous les leaders là, on les a contournés quand on dit que euh, il y a eu association de quoi La société civile, les, militaires, les chefs coutumiers, hein, et puis quoi encore L'opposition, et puis les chefs religieux. Vous allez voir que c'est l'église seulement qu'on a consulté. C'est l'église qu'on a consulté. Vous voyez C'est la justice, hein Nous, on est là, on écoute. Maintenant, à notre surprise, vous allez voir que c'est peut-être un chrétien qui va venir. Un clergé. Un homme de l'église. Quelqu'un qui chante comme ça, qui danse dans les églises là. Et c'est lui qui va, qui va devenir un jour président de la République ici. Vous voyez Alors que ça, c'était exclu même dans, dans, les conditions. Il n'était pas question qu'un imam ou un pasteur ou bien un monseigneur devienne président ici. Mais vous allez voir qu'on a proposé des gens, des, noms qu'on nous connaissons déjà. Ça commence comme ça. Ça commence ainsi. Vous allez voir la constitution du gouvernement, le président est un chrétien, le premier ministre un chrétien, le ministre de la Défense un chrétien, l'extérieur est un chrétien, vous allez voir que les postes chrétiens seront dominés par des chrétiens. Et ils auront la même mise sur tout dans ce pays-là. Donc, comprenez ce contexte-là qui est le vôtre ici, pour essayer de comprendre pourquoi les autres ont pris les armes. L'autre jour, il était question d'ouverture d'une mosquée à, Zinari. Lorsque la population a dit que non, euh, on ne peut pas tolérer une mosquée wahhabite dans nos cités là. Alors que les, églises la plurifèrent là-bas. Les églises poussent comme des champions. On ne, dit, on, ne pique pas moins. Mais quand il s'agit d'une mosquée wahhabite, ils ont envoyé des gens pour aller. C'était un jour de vendredi. Ils ont dit que le vendredi prochain, on ne peut pas voir quelqu'un dans cette mosquée-là. Sinon, il y aura effusion de sang. Vous voyez Des musulmans qui veulent interdire des musulmans, à des musulmans d'ouvrir une mosquée. Alors que les, les pasteurs sillonnent tous les quartiers et tous les villages là pour faire ce qu'ils font. C'est là maintenant que des jeunes se sont mobilisés par le Facebook et puis des trucs comme ça pour aller, c'est-à-dire encercler le coin là. Dire que celui qui va oser s'attaquer à nous ici, alors il y aura en tout cas une guerre. Et on a pu ouvrir la mosquée là ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé Vous voyez, c'est cette injustice-là. La communauté musulmane a pris soin en ce moment-là de rédiger une lettre destinée au ministre de l'Intérieur, soit disant qu'il y a Al-Qaïda qui commence au Burkina Faso. Que et ils avaient, ils refusé l'ouverture de la mosquée de la Passion, c'est les éléments de l'Al-Qaïda qui commencent, c'est-à-dire hein, à se propager dans, dans cité. Ça commence ainsi. On va venir, c'est-à-dire ton droit élémentaire là, on va venir, c'est-à-dire te euh, t'interdis cela. C'est ce qui fait que souvent, il y a des prises des armes. Le seul des cas du, Nigeria. Alors en Algérie, brièvement, hein. le fils avait fait quoi On avait prôné la démocratie après la chute des communistes, le FLN, qui avait longtemps rayé sur l'Algérie. On a dit pour la première fois de passer par les urnes pour élire le président. Le fils est présenté, comme les autres, et ils, ont été majoritaires. Ils ont passé. Donc c'est l'armée qui a fait un coup d'État, qui a envoyé les chars là dans les rues pour empêcher le second tour. Et ils sont mis maintenant à interpeller et à arrêter les leaders du fils et à les assassiner. Donc qu'est-ce qui a motivé la guerre en Algérie Les 150 000 morts là, c'est un coup d'État. Qui a fait le coup d'État C'est l'armée qui a mis fin à un processus de démocratisation. Donc les gens ont pris les armes pour se défendre. Et ça fait alors le drame que vous avez connu. Dans ce moment-là, qui il faut Quand les médias viennent maintenant, on dit que c'est les djihadistes en Algérie, le fils, le groupe salafiste comme ça, comme ça. Mais l'armée qui a fait le coup d'État là, hein, les scandales que l'armée a eu à faire là, on ne parle pas de ça. On braque le, le projet sur, sur quoi sur ce que font ces groupes djihadistes-là. Il faut comprendre le contexte comme ça. En Somalie, après le départ de Siad Bari, il n'y avait plus de gouvernement central. Voilà. Donc maintenant, c'est une anarchie. Pour la première fois, sous le règne des, tribunaux islamiques, on a pu pacifier la capitale et ses alentours. Qu'est-ce que l'Occident a fait Ils ont voulu maintenant pacifier le reste de la Somalie. C'était une paix qui était revenue. L'Occident a dit non, non, non, ça c'est pas possible. On ne peut pas accepter que l'islam pacifie ce pays-là. On a dit à l'Éthiopie d'intervenir. L'Éthiopie a intervenu. Bombarder les, choses. Un, pays qui intervient dans notre pays. Voyez. Alors que quand Saddam Hussein a occupé le Kuwait, le monde entier s'est mobilisé contre Saddam Hussein. Mais l'Éthiopie a intervenu militairement en Somalie pour déstabiliser les tribunaux euh, islamique. Après cela, il y a eu des guerres entre eux et puis l'Éthiopie. Finalement, on a pu vaincre hein, les tribunaux islamiques. Ils ont disparu. Maintenant, les chebabs sont venus chasser l'Éthiopie. L'Éthiopie est partie. Instaurer leur pouvoir. Et ils ont pu même, ça dire, pacifier et unifier la moitié du pays. Ils voulaient étendre maintenant le pouvoir vers les autres parties euh, partis qui n'ont pas, qui pas été d'abord pacifiés. Qu'est-ce que l'Occident a fait Même les soldats burkinabés se trouvent là-bas. On a dit à tous les Africains de se mobiliser, envoyer des contingents pour aller chasser, les, les Chose qui fut faite. Aujourd'hui, le combat continue. C'est entre le monde, le monde libre, le monde qui se dit libre, le monde qui se dit démocrate, hein, et les islamistes Shebas. Vous voyez Une autre fois, on a braqué les projecteurs sur ce que font les chebabs Hein? Mais ce que font nos militaires là, les, forces africaines, ce qu'ils font là-bas, non, on ne parle pas de ça. Mais ce que font les autres là, alors qu'on essaie de, montrer aux gens que c'est des exactions, euh, que c'est euh, des crimes contre l'humanité. Donc, qui, est euh, à l'origine de, de la crise en Somalie C'est parce qu'on a voulu des gens qui se sont mobilisés pour pacifier leur pays. On a dit non, on ne veut pas ça, parce que c'est l'islam on est parti pour les combattre. C'est comme les mêmes combats qui sont déroulés à Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc où est la cause là Qui est la cause Si vous retournez chez vous, au lieu d'aller bombarder la Somalie, si vous retournez chez vous, il y aura la paix. Qu'est-ce que le militaire burkinabé a à faire en Somalie Le militaire ougandais, le militaire burundais, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas sont eux qui sont des terroristes là-bas Ou bien ce sont les Somaliens qui défendent leur territoire